gis nañ yëpp te nit moom booy joué public bi ñëw rek loo mën a def da nga koy def waaw. rek parce que dama ko gëmoon wax naa ne man def ci yéen yëpp dama leen waxoon tey damay dugal ko waxee noonu laa ko defee waaw léegi comme ni ñu ah. ñëwaatee rek defal différence. c'est là waaw di waaw parce que gis nañ stade yi yëpp kontaan ci ñoom.